Les maires, messieurs et madame les invités, messieurs les présidents de zone, messieurs les présidents d'ASC, honorables invités. Je crois que ce 14 ou 15 janvier 2000 23 ici à Tiamen de marquer la fin du championnat national populaire nous voulons voir un moment de satisfaction un moment de symbiose un moment moment d'allégresse toute la population de Tiamen nous réunit pour fêter c'est une bi nga xamné mo am di commencer par remercier les membres du comité directeur de la zone ndax tay li bu amé c'est grâce à eux c'est les membres du comité directeur kenn ku nek fi nga xamné fa nga taxaw def nga lepp lo xamné ni war nga ko def ba bis bi di remercier féliciter madame le maire de la commune également moi, je nga marraine nu bis la mais aussi jël toutes les dispositions ba ak madame la maire vous avez toutes nos félicitations vous avez tous nos encouragements pour l'ensemble des ASC de la zone de Tiamen et d'une manière particulière maintenant la jeunesse tiamenoise. monsieur le préfet également disposition

sans incident majeur donc l'on également donne une disposition particulière pour permettre la bataille finale de la Quand au nom de la zone nous, ngi leen nous remercions ay remerciements rek am def mais gis nañ des représentants des partis politiques des représentants des coalitions de partis des responsables politiques nous avons également des bonnes volontés yu dëkk ci dëkk bi tay ñëw taral bis bi ak képp ku nekk ni nga la jeunesse contane la jeunesse am na mbégte lii buñ table ji c'est une finale c'est une grande première di remercier également au niveau de l'ODECAV comme le président ODECAV Tiamène dañ ko jappé ci zone yi nga xamné ne ñoo gën a mag tey gis na fi les présidents zone C Abdou Salam Fall mu and ak président Amsata Diaw zone D and ak le président Ibou Wade gis fi ñëpp ñoo xam ne nii boo ci tribune bi le maire Papa si notre ami est là Mbaye Sey est là yeen ñëpp tay boko bëggé lim day xamné day gudd mais ñi ngi wax né kontaan nañ vive la zone de Tiamène vive la commune de Tiamène vivre également l'ensemble de la population di wax ne ñu ngi leen des centres di gërëm di dojo également ñi nga une disposition pour nous accompagner la sécurité merci encore une fois et à déwénati merci merci kaddu rek commencé par nous, autorité le préfet son adjoint du nuyu aussi madame le maire ak ñi mu àndal ñëpp di nuyu ñëpp donc di wax ni vraiment dañu content, nous n'avons même pas les mots ci reconnaissance bi nga xamné aussi la zone am na ko ci suñu nit bu xébu bi donc daf ñuy tax nak ñu gor lu war rek xamné ñun lepp lu ñuy def suñu jeunesse lañ koy défal, lepp lu ñu def aussi suñu dëkk lañ koy défal. mais mënuñu terminer aussi sans pour autant ñu remercier waat encore une fois bu baax baax madame le maire ci cër bi nga xamné ni aussi jagleel nako la jeunesse ci cër bi nga xam ne nii jagleel na ko éducation donc depuis mu ñëw ba léegi gis nañ ni jox na leen cër bu baax a baax a baax kon nag tey devant tout le monde dinañ la wax jërëjëf donc di la wax ne nag lépp loo def pour la jeunesse rek gis nañ ko voilà doyul nag mais gis nañ li nga def di la ñaan nga gën ci taxaw baax a baax a baax baax jërëjëf pour bañ a guddal rek comme xaw na gudd. féliciter madame le maire pour les bonnes dispositions qu'elle a prises pour le bon déroulement donc de cette Et aussi, mes félicitations vont à l'endroit du président de la zone et tous les membres de la de, Louga pour, pour l'organisation de cette belle fête de la jeunesse. Mhm. Aujourd'hui, nous ont réussi à faire une forte mobilisation. Toute la jeunesse de, de, de est là pour communier ensemble euh, pour cette fête. Ça a été une très bonne partie qui s'est déroulée dans le fair play qui a jalonné. Et nous avons assisté aussi à un bon match de football. Et ça nous a permis aussi de découvrir aussi beaucoup de talents au niveau des, jeunes. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de, de l'organisation de cette grande grande fête de la jeunesse aujourd'hui à Monsieur le préfet, quel message, quel conseil donnez-vous à la jeunesse puisque c'est la fête de la jeunesse aujourd'hui donc, euh, pour dire que ce que je, continue à dire euh, la jeunesse, c'est de continuer dans cet élan, de jouer dans le calme, dans le fair play, et euh, d'autres de, manière très exemplaire, et aussi d'être fair play. Et ça, cette attitude-là est très importante donc, dans la vie. Et je pense que je vais continuer à travailler davantage pour le développement aussi de la localité. C'est l'occasion de leur participation pour le développement de la communauté de c'est une mère très engagée qui, a dès, dès son arrivée, en tout cas, ne lésine pas sur les moyens pour le décollage, économique de la commune de, de Nous J'invite donc toute la jeunesse à travailler à côté de Madame le maire pour essayer donc de, développer donc, la zone. Merci beaucoup. Merci, merci, monsieur le sous-préfet. Monsieur le président de zone, zone de Gandé, zone, zone C, de zone F de Louga. Monsieur le Président de la zone de Kamel, Messieurs les membres de la zone de Kamel, euh, j'ai oublié le, président de la zone de, de, de Louga, Euh, chers sportifs amis sportifs euh, tey nag ma am mbégte wu mag mag mag di ñëwaat Thiamène Thiamène une zone bi nga xam ni c'est une zone particulière une zone très importante au niveau de la décate de Louga tey bu gis lii xam ni zone de Thiamène est une très grande zone en tout cas au nom de la décate de Louga et au nom des membres de la décate de Louga je tiens à vous remercier, à vous féliciter. Parce qu'à l'espace de, deux ans, trois ans, vous avez vous avez donné une âme à votre homme. Vraiment, je vous encourage. Mais pour revenir à, à, Madame la maire, Madame la maire il est une barbare, il est le barbare de la sainte.